le forum du studio le forum du studio Calam, le forum du studio Calam, le forum du studio Calam, le forum du studio Calam, le forum du studio Calam, le forum du studio Calam, le forum du studio Calam, le forum du studio Calam, le forum du studio Calam. studio Kalangou, il est 18h15 C'est l'heure du forum au micro Hamadou Moumouni. Bonsoir. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Birningaouré, Chirozérine, Magaria, Kabalewa, Tamaske, Bouza, Dolbel et Saï. Pour ce jeudi 7 juillet, nous commençons par le grave incendie qui s'est déclaré tôt ce matin au domicile du commandant de la garde nationale de la région de Tilabiri. Le bilan est de 12 morts, dont le commandant lui-même. Deux de ses compagnons d'armes lui rendront hommage dans ce forum. Par la suite, nous irons au centre de traitement ambulatoire CTA de Niamey. C'est un centre qui prend en charge les personnes infectées de VIH, Quelques 2000 patients y sont actuellement traités, non sans quelques difficultés, difficultés liées à l'insuffisance de certains produits. Vous suivrez les témoignages de quelques patientes et l'analyse du président du réseau nigérien des personnes vivant avec le VIH, René Plis euh, Boubacar al Alouseni. Enfin, un entretien avec le secrétaire général du syndicat national des agents de l'agriculture du Niger, Manou Badier, va nous analyser la portée du décret d'application de la loi portant sur la protection des végétaux au Niger. Oui, c'est aux environs de 4 heures du matin qu'un incendie s'est déclaré à Tilabiri, au domicile du commandant régional de la garde nationale, le chef d'escadron Ibrahim Al-Hadi. L'incendie a commencé au salon suite à un court-circuit selon les investigations de la Nigelec. Bilan 12 morts, dont le commandant Ibrahim Al-Hadi lui-même. Deux autres sont en soins à l'hôpital de Tilabiri. La levée de corps des victimes a eu lieu aux environs de midi à Tilabiri en présence du ministre d'État euh, chargé de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, et du président de la Haute Cour de justice, Kario Mohamedou. Suivons ses compagnons d'armes lui rendre hommage. Le commandant Ibrahim Alhadi nous a quittés dans des conditions très tristes. Le les souvenirs qu'on peut euh, parler de lui, euh, c'est que c'est un monsieur qui est très brave qui a toujours euh, souhaité que ses missions soient une réussite avec ses agents. Du point de vue social, il est très bien avec tout le monde. Et c'est triste qu'il nous a quittés quand même. Euh, et c'est la vie. Nous ne pouvons que souhaiter, lui souhaiter vraiment euh, que Dieu fasse l'accueillir, du moins que Dieu l'accueille dans son paradis éternel ainsi qu'à sa famille. Vous savez, il a perdu 11 euh, membres de sa famille dans cet incendie euh, qu'il a emporté à 4 h du matin suite, euh, selon les dires, à, un court-circuit. C'est un monsieur qu'on ne peut pas oublier, c'est tout ce que je veux vous dire. On ne peut pas oublier le commandant Ibrahim Al-Hadi parce qu'il a toujours semé l'esprit d'équipe au sein de ses éléments. Il a toujours collaboré, il a toujours euh, cherché à ce que les missions se fasse dans de bonnes conditions. Il a toujours euh, été très proche de, ces éléments. Nous, personnellement, euh, nous sommes ces différents commandants d'unité qui sommes avec lui en permanence, à tout temps, à tout moment qu'il nous a sollicités. Et vraiment, nous avons perdu un grand monsieur. Je suis le petit frère du défunt commandant hadi J'ai fait mes premiers pas sur le terrain militaire avec lui. C'est lui qui m'a appris à travailler sur le terrain. Je garde de lui un officier patriote. Un officier patriote qui a mis toujours les intérêts de ce pays au-dessus de tout intérêt particulier. Je garde de lui un souvenir d'un homme brave, simple et généreux. Je garde aussi comme souvenir de lui un homme très sociable, un homme très sensible aux couches sociales les plus déshéritées tout ce qui passe chez lui. Ils verront une maison pleine des enfants. Ces enfants, la majorité, c'est des enfants du quartier. Je garde de lui un souvenir d'un homme exemplaire et sans reproche. Et je me souviens quand il y a eu l'attaque de Bosso. Il a passé toute la semaine silencieux et il s'est même porté volontaire. Mais Dieu a décidé autrement. Que son âme repose en paix. Voilà des compagnons d'armes du commandant Ibrahim Al-Adi qui s'est éteint ce matin chez lui dans un incendie à Tilabiri avec 11 autres de ses proches. L'incendie s'était déclenché à la suite d'un court-circuit selon la Nigelec. La levée des corps des principaux des victimes a eu lieu aux environs de midi en présence du ministre d'État chargé de l'Intérieur et du président de la Haute Cour de justice. Retour à Niamey pour aller au centre de traitement ambulatoire CTA de Niamey. C'est un centre qui prend en charge les personnes infectées de VIH. Quelques 2000 patients y sont actuellement traités, mais le CTA fait face aujourd'hui à un certain nombre de difficultés dans la prise en charge de ces différents patients. Des difficultés liées, par exemple, à l'insuffisance d'un certain nombre de produits essentiels. Lundi dernier, docteur Nou Yakuba, le responsable du CTA, s'est largement expliqué sur cette insuffisance avant de prévenir que si rien n'est fait d'ici quelques mois, la situation peut empirer. Aujourd'hui, nous avons recueilli les témoignages de certaines patientes. Voici ce qu'elles disent sur leur traitement. Ici, on a juste les antirétroviraux, mais on n'a pas la prise en charge totale. Des fois, quand on tombe malade, on n'a pas de traitement, il faut qu'on nous écrive des ordonnances. On a les antirétroviraux. Euh, pour les antirétroviraux, on n'a pas de manque. Il n'y a pas de manque. Mais qu'est-ce qui vous manque pour compléter le traitement Par exemple, quand on tombe malade, on doit avoir une prise en charge aussi pour les autres médicaments. Lesquels Par exemple, quand on a la fièvre, on doit avoir le paracétamol ou bien un équivalent. Mais avant, vous les avez Avant, nous les avons. Mais maintenant, il n'y a pas. et qu'est-ce que ça crée comme problème pour vous Ça crée des problèmes. Des fois, on nous écrit des ordonnances alors qu'on n'a pas de l'argent pour en acheter. Notre cri de cœur, on doit nous prendre en charge totalement pour nous soins de santé. Nous faisons nos traitements ici au centre des fois avec facilité et souvent avec des difficultés. Parce que nous qui sommes dans la deuxième ligne avons eu une rupture de nos produits récemment. Mais il y a des moments où nous pouvons avoir des produits pour trois mois de traitement. Actuellement, j'ai reçu des produits pour un mois de traitement, alors que dans le temps, je recevais chaque fois pour trois mois. Aujourd'hui, j'attends de voir le médecin pour savoir pour combien de temps il va me prescrire. Si c'est pour un mois, nous allons nous contenter de ça en attendant mieux. Sinon, nous de la deuxième ligne, nous manquons vraiment de produits. La deuxième ligne, ce sont les malades dont les organismes ne réagissent pas aux premiers produits. Ils sont traités avec la deuxième vague de produits. Notre souhait est qu'il y ait la disponibilité des produits. Avant, nous recevons aussi le traitement des maladies parallèles telles que le paludisme, la carie dentaire, l'ulcère d'estomac et autres. Mais maintenant, ils ne prescrivent que des ordonnances. Voilà, des patientes euh, qui nous expliquent un peu comment elles sont traitées au centre de traitement ambulatoire de Niamey. Nous avons aussi approché le président du réseau nigérien des personnes vivant avec le VIH, René Plus. Le Oulseini s'étonne que les produits ne soient pas suffisants pas, euh, parce que, dit-il, les fonds sont disponibles pour cela. Nous l'écoutons. C'est surtout concernant le, les antirétroviraux de la deuxième ligne, pour les patients qui sont sur la deuxième ligne. Il nous a été rapporté que il y a un manque à ce niveau-là, pour lequel si des mesures urgentes ne sont pas prises d'ici septembre, on peut aller en rupture. Pour le moment, il faudrait que peut-être nous nous renseignions plus pour savoir plus si la commande a été déjà lancée. Parce que si ce n'est pas lancé, euh, à l'heure où nous sommes, en, septembre, forcément, il y aura une rupture euh, de ces molécules-là. Euh, si ça a été déjà fait, peut-être que euh, le problème ne se posera pas. La conséquence est que ceux qui sont sous la deuxième ligne vont aller en rupture et ça peut aussi euh, les amener, pour certaines ou peut-être la totalité, à observer une mauvaise euh, observance qui peut les traîner dans la troisième ligne, qui ne se trouve pas au Niger, parce que jusque-là, le Niger ne commande pas la troisième ligne. Donc, Aujourd'hui, un patient qui a passé de la première ligne à la deuxième ligne, la deuxième ligne, déjà, il y a des problèmes. S'il faut passer à la troisième ligne qui n'existe pas, donc vous voyez dans quelle situation on va, on va exposer ces patients-là. Les patients de la deuxième ligne, c'est ceux qui ont eh, fait un échec. On met les patients sous traitement antirétroviral, première ligne d'abord. En cas d'échec, maintenant, le patient passe au traitement de la deuxième ligne. Donc c'est ce traitement de la deuxième ligne qui est insuffisante, comme vous êtes en train de, comme vous l'avez entendu, tout comme nous. si le patient fait un échec au niveau de la deuxième ligne, normalement il doit passer à la troisième ligne. Et cette troisième ligne n'existe pas au Niger. C'est ça le problème. À qui vous allez vous adresser, vous, en tant qu'acteur Bon, nous, nous ne pouvons nous adresser qu'aux autorités qui, qui ont euh, en charge euh, la santé au Niger, de manière générale, particulièrement euh, la coordination intersectorielle de lutte contre le sida, pour que des mesures urgentes soient prises dans ce sens pour ne pas amener, nous amener à, à, à se confronter à cette situation. À ce que nous sachions problème de ressources financières ne se pose pas. Il y a suffisamment de ressources financières mobilisées dans ce pays aujourd'hui pour lutter contre le sida, qui normalement, jusqu'en 2018, ces genre de problème, on ne devait même pas les entendre. Donc, on euh, on sait pourquoi jusqu'à présent, le problème se trouve à quel niveau, pourquoi ces genres de situation, de, temps à autre, euh, se présente. Normalement, ça ne devait pas l'être. Est-ce que vous avez eu à faire face à, ce genre de rupture et comment elles ont été solutionnées Il y a deux, deux mois de cela, hein, deux, trois mois de cela, cette même genre de situation s'est présentée. Nous, nous avons euh, interpellé qui de droit. Euh, la, situation a été prise euh, en, charge dans l'immédiat. et Une commande d'urgence a été lancée euh, selon les informations des autorités en charge de, la lutte. Euh, donc, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé encore. Quelques mois après, on nous signale que, selon les échos que nous avons, c'est-à-dire de l'stock qui se trouve au niveau de, de l'ONPPC, au niveau de l'unité de gestion, que d'ici septembre, si une nouvelle commande n'est pas rentrée, ce qui s'y trouve euh, risque euh, euh, déterminé et que la finalité est que les patients vont aller en, rupture. Voilà quelques témoignages et analyses sur la prise en charge des patients du Centre du traitement ambulatoire CTA. Le CTA s'occupe principalement des personnes infectées de VIH. autre aspect de ce forum, l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens du président de la République euh, est désormais adoptée comme étant la politique agricole du Niger. C'est ce qui a été, en a été décidé euh, par le dernier Conseil des ministres. C'est au cours de ce même Conseil que le décret d'application de la loi sur la protection des végétaux a été adopté. Le secrétaire général du syndicat national des agents de l'agriculture du Niger analyse ici la portée de ce décret d'application sur la protection des végétaux. Manoubadje est interrogé par notre reporter Mokhtar Hamadou. Cette nouvelle loi a pour objet de conformer la politique nationale en matière de protection phytosanitaire du territoire, notamment pour que l'État assure la protection phytosanitaire pour les producteurs nigériens. Et on a profité donc le décret d'application de cette loi-là, donc qui vient d'être adopté hier en Conseil des ministres, devrait donner donc les précisions sur les dispositions de cette loi pour notamment comment les choses doivent se faire, la protection phytosanitaire du territoire en termes de surveillance aux frontières, en termes de surveillance euh, sur le plan national, en termes de réglementation de la pénétration des organismes nuisibles, que ce soit pour la recherche, que ce soit à travers des marchandises, en termes donc euh, de relations que nous devrons avoir au niveau des normes internationales qui régissent le commerce des produits agricoles. Et ce sont tous ces aspects-là, euh, en tenant compte également des dispositions au niveau du règlement CDA ou des réglementations UOMOA sur la sécurité sanitaire des aliments, des animaux et des végétaux. Vous savez, là-bas, les choses évoluent très vite. Donc, ce sont toutes ces dispositions-là qui ont été prises en compte par la nouvelle loi. Et donc, il fallait prendre le décret d'application qui devrait donner les détails des dispositions de cette loi. C'est ça qui a été consacré donc par le décret d'IA. Quel changement cela va-t-il apporter non, le changement premier, d'abord au niveau des producteurs nationaux. Vous savez qu'à un moment, on avait fait en sorte que toutes les cultures de rente, y compris le niébé et les autres cultures maraîchères, ne devraient pas être couvertes sur le plan phytosanitaire par l'État. C'est des cultures qui rapportent de l'argent, on demande aux producteurs de le faire. Dorénavant, avec la nouvelle loi et avec son décret d'application, quand c'est nécessaire, l'État intervient justement pour protéger au plan phytosanitaire. L'autre chose, c'est au niveau du commerce international. Vous savez qu'on est trop limité au plan international. Nos producteurs ne savent pas ce que les autres États exigent. Donc, cette loi-là impose à tous les acteurs de s'informer sur quelles sont les conditions à remplir pour exporter un produit agricole à droite ou à gauche dans les différents pays partenaires. Il faut qu'on sache. Et quelles sont les conditions également pour que les produits agricoles des autres États rentrent chez nous. Ce sont ces dispositions-là qui sont contenues, les précisions sont données pour que chaque acteur joue véritablement son rôle au niveau de, de ces différentes dispositions. Pour euh, remplir euh, bien cette mission, donc il va falloir euh, procéder à des séances de sensibilisation des paysans. Absolument, l'internalisation de ce décret d'application, de la loi et de ce décret d'application sont nécessaires. D'abord, au niveau technique, certainement, au niveau du ministère, on va prendre tous les arrêtés qui précisent justement les dispositions de la loi et de son décret d'application pour que ça soit comestible par les communs des acteurs. Notamment, certainement, également, il y aura beaucoup de communication autour de la question pour que chaque acteur reconnaisse vraiment son rôle, qu'il le maîtrise et qu'il puisse en appliquer autrement. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent en termes de recherche. Il y a beaucoup d'échanges des produits commerciaux, notamment agricoles il y a une déconnexion entre les commerçants, entre les administrations techniques, entre d'autres acteurs tels que les associations des consommateurs. Tous ce beau monde-là qu'on veut que chacun s'en approprie maintenant pour vraiment comprendre un peu comment le commerce international des produits agricoles notamment, donc devrait s'effectuer. Les, conditions à remplir notamment, vous savez que nos produits aujourd'hui sont très très bons, mais pour les exporter en Europe c'est un problème. Donc il faut tenir compte des limites maximales des résidus des pesticides dans les récoltes. Donc c'est des aspects comme ça qui sont importants à retenir et c'est sur ça qu'on a mis un accent particulièrement. Monsieur le CG, vous avez cité les acteurs sans pour autant citer les syndicats du secteur de l'agriculture du Niger. Non, les syndicats, nous, nous sommes les acteurs parce que nous qui encadrons les producteurs. Je n'ai pas cité non plus les producteurs. Vous savez, les producteurs produisent les produits et c'est eux qui sont censés jouir du bonus. Mais malheureusement, ce sont les intermédiaires et les commerçants qui achètent avec les producteurs et qui exportent ailleurs ou qui les amènent ailleurs. C'est eux qui en bénéficient. Nous, notre souci majeur, c'est que les producteurs nigériens d'abord, qu'ils comprennent les conditions à remplir pour que leurs produits accèdent au marché au plan international. Donc, et ça, ce travail-là, on ne peut pas le faire sans les agents de l'agriculture qui sont nos militants. Donc, c'est pour dire que quelque part, si on veut réellement profiter au maximum du commerce international, si on veut réellement mettre en œuvre cette loi, le rôle des agents de l'agriculture est déterminant. Monsieur le SG, autre point objet de discussion hier euh, au Conseil des ministres, il y a le projet du décret portant adoption du document de la politique agricole. Désormais, l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, va être adoptée comme étant la politique agricole agricole du Niger quel commentaire cela suscite en vous, monsieur le SIG Pour nous, ça, là, c'est juste une formalisation, parce que depuis l'arrivée de la 7e République, c'est l'initiative troisième qui fait office de politique agricole. Or, malheureusement, on l'a souvent dit, il y a un pléthore des institutions, il y a souvent une confusion entre les rôles des ministères et des institutions concrètes telles que le Haut Commissariat. Donc, euh, je crois que hier, ça a été maintenant à la compréhension de tout le monde. On comprend que l'initiative troisième est la politique agricole que le Niger applique. Quitte à maintenant, puisqu'on a vu les limites de l'initiative troisième dans la mise en œuvre durant les cinq dernières années, à se faire en sorte que cette fois-ci, ça réponde réellement aux préoccupations des producteurs et qu'on aille au concret, parce que les chaînons majeurs de l'initiative troisième, là où on devrait attendre les résultats concrets, au niveau des communes, au niveau des départements et des régions, malheureusement, il n'y a pas un accent particulier qui a été mis, parce que ça nécessite beaucoup d'investissement, il faut beaucoup de ressources. On a mis beaucoup de temps à réfléchir, à refaire des choses, et je crois que maintenant, il faut mettre le paquet sur la mise en œuvre concrète. Et ça, puisque c'est officiellement la politique agricole, c'est sur ça qu'on doit s'appuyer, il faut disposer disposer d'un dispositif d'appui conseil aux producteurs. Conséquent, il faut faire la réalisation de ce qu'on appelle les différents éléments de la maison du paysan, par exemple, parce que c'est ça, les infrastructures de base au niveau des communes. Malheureusement, les cinq premières phases là, comme je l'ai dit, on a mis plus de temps dans les réflexions et les forats, mais malheureusement, on n'a pas fait des réalisations concrètes. Maintenant, il n'y a plus rien à attendre, il faut aller au concret. Monsieur le SG, l'initiative 3N en tant qu'État a été lancée en 2012 et ça n'a pas empêché nos commerçants d'aller euh, se ravitailler au Nigeria, au Burkina. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'il faut-il attendre du gouvernement Ce qu'il faut attendre du gouvernement, c'est au gouvernement de le dire. Mais nous, en tout cas, concrètement, si on veut que justement on arrête l'importation des produits agricoles, c'est qu'il faut investir dans l'agriculture. Premièrement, que l'État investisse. L'État investisse suppose quoi Il faut faire des réalisations des grands périmètres irrigués partout où c'est possible. Vous avez des grandes étendues où on peut faire des aménagements qui ne le sont pas. Finaliser le barrage de Kandaji, c'est un pas important. réhabiliter les périmètres irrigués le long du fleuve Niger, c'est un pas important. Tout ce qu'on a comme Dalol, les Goulbi et autres là, il faut les, aménager. C'est important. L'autre aspect, il faut agir sur les opérateurs économiques du Niger. Nous avons beaucoup de commerçants qui ont des ressources, mais comme c'est un secteur risque, ils n'investissent pas dans l'agriculture. Pourquoi Parce qu'on dépend des aléas. Dès qu'il y a une sécheresse, la production est pratiquement compromise. Voilà pourquoi nous, nous avons toujours dit qu'il faut mettre l'accent sur les ressources en eau. La maîtrise de l'eau, c'est déterminant pour l'agriculture. Tous les pays qui ont pu développer leur agriculture, ils se sont assurés qu'ils maîtrisent l'eau d'irrigation. Or, au Niger, on a des eaux du sous-sol, on a des milliards et des milliards de mètres cubes d'eau dans le sous-sol. On a beaucoup d'eau qui coule aujourd'hui en hivernage. Quand vous voyez les tonnes et des milliards de mètres cubes d'eau qui charrient les déchets à travers les quartiers et à travers les villages, ça fait beaucoup des inondations et ça, ça va dans les fleuves, ça va aller jusqu'aux océans. Toute cette eau-là, il faut la valoriser, il faut la mobiliser. Pour la mobiliser, il faut faire des vrais micro-barrages résistants, vraiment qu'on ne donne pas des marchés à des amis commerçants qui réalisent des choses qui cassent au bout d'une campagne. Il faut faire des vrais micro-barrages avec des études concrètes qui tiennent. Il faut également faire en sorte que nos commerçants investissent dans l'agriculture. Autrement dit, c'est quoi Heureusement que le ministre d'État chargé de l'agriculture aujourd'hui, il est en train de visiter les réalisations des privés. C'est un bon pas. Moi, je pense que c'est une très bonne approche qu'il a aujourd'hui pour montrer aux gens qu'il y a quand même quelques Nigériens qui ont eu des initiatives et qui réussissent. Ça va inciter d'autres à venir. Il faut notamment que l'État détaxe certains matériaux tels que les panneaux solaires. Il faut utiliser l'énergie solaire aujourd'hui pour tirer l'eau du sous-sol et faire de l'irrigation. Si on détaxe les panneaux solaires, comme c'est le cas aujourd'hui au Mali ou au Burkina, vous allez voir que les panneaux solaires sont d'être partout. Et aujourd'hui, la micro-industrialisation ne peut pas se faire sans l'énergie. Euh, l'énergie la plus propre, la plus disponible qu'on peut avoir jusqu'au village, c'est l'énergie solaire. Il faut qu'il y ait un mécanisme qui permette, si tout le monde se donne panneaux solaires, on va faire des réalisations qui peuvent, en tout cas, rapporter de l'argent à l'État. Il faut qu'il ait une politique dans ce sens-là pour qu'il y ait des véritables investissements dans le domaine de l'agriculture. Monsieur le SG, ne faut-il pas aussi un changement de comportement pour inciter les Nigériens à travailler absolument le changement de comportement est indispensable. Il y a une renaissance culturelle qui est prônée. J'espère que ça va commencer au sommet parce que vous avez vu le développement rural, on a lutté pendant 4-5 ans. Durant toute euh, la 7 République, on n'a pas été satisfait, on nous a négligé. Et nous, nous sommes convaincus que si on nous néglige, on va s'éteindre. mais ce qui est sûr, il n'y aura pas de résultats concrets. Donc le changement de comportement, non seulement il faut mettre tout le monde dans les conditions, mais il faut que nous, on nous donne les moyens d'agir au niveau des producteurs pour que justement les producteurs qui le peuvent puissent vraiment profiter au maximum des toutes les technologies aujourd'hui disponibles. Il y en a plein de technologies qu'on peut valoriser au village, mais malheureusement, comme les agents d'appui conseil, d'abord, on n'a pas un dispositif d'appui conseil digne de foi au Niger. Ensuite, les agents sont dans un mécontentement global, ce qui fait que, justement, il n'y a pas, au sur le résultat, et c'est qu'il est. Donc, il faut créer les conditions d'abord de motiver les agents qui sont chargés de l'appui conseil, qu'il y ait un programme concret d'appui conseil, ça permettra aux uns et aux autres d'aller vers les producteurs en relation avec leurs associations, avec les consommateurs, avec les commerçants, les opérateurs économiques. On va réorganiser les filières depuis les productions jusqu'aux commercialisations et les transformations. C'est ça qui fait le développement de l'agriculture, c'est ça qui développe l'économie d'un pays, la micro-industrialisation par les différentes chaînes de valeur des produits agricoles. Monsieur le SG, euh, l'importance des agents de l'agriculture pour la bonne réussite de cette politique agricole. Ah, ça c'est très clair. Vous savez que si le premier mandat du président, il n'y a pas beaucoup de visibilité de l'initiative troisième, c'est parce qu'à un moment, les responsables du Haut Commissariat à l'initiative troisième ont pensé qu'ils peuvent prendre des agents en service civique pour les nommer des soldats de la Renaissance, en remplacement des agents d'agriculture. Non seulement nous, nous sommes dans des conditions de discrimination, nous sommes discriminés par rapport aux agents de l'État, et également on voulait prendre des substituts pour nous remplacer. On a vu les limites, je suis persuadé que tout le monde s'est rendu compte que c'était des erreurs. Tout le monde doit se réaliser aujourd'hui que les agents de l'agriculture, les agents de l'élevage, les agents de développement rural en général ont un rôle extrêmement important à jouer parce que nous avons une population 85% qui vit de l'agriculture et de l'élevage, plus de 80% aussi qui est analphabète. Ces gens-là, si on ne les encadre pas, on ne va jamais améliorer notre agriculture, on ne va jamais rien moderniser dans les champs. Donc, or, aujourd'hui, la science, elle va à un rythme exponentiel. Des découvertes sont faites tous les jours. Il faut qu'il y ait des agents bien avertis, des agents dans les conditions, motivés et bien formés, qui peuvent eux aussi aller sensibiliser les producteurs, conseiller les producteurs. Et ça, donc, l'importance de ces maillons importants-là, elle est déterminante leur rôle, leurs actions sont déterminantes pour la réussite de n'importe quel programme sur le plan agricole. Il faut qu'on se convainque de ça, qu'on crée les conditions d'abord de leur motivation, qu'on crée les conditions de disposer d'un programme digne de foi qui accompagne l'initiative troisième en termes d'appui conseil et qu'on crée les conditions pour que tout le monde au niveau du Niger puisse comprendre que l'agriculture, elle est viable, elle est rentable. Il suffit de créer les conditions, notamment il faut investir. Ça, je crois que si on fait ça, on verra des résultats concrets très très rapidement sur le plan économique. Manu on vous remercie. Merci Mokhtar. Voilà le secrétaire général euh, du syndicat national des agents de l'agriculture du Niger, Manou Badié, euh, sur euh, l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui est désormais la politique agricole du Niger et puis l'application, ou du oui, l'adoption du décret d'application de la loi par le Conseil des ministres de la loi sur la protection des végétaux. Souvenez-vous, dans son discours d'investiture, le président de la République, Issouf Mohamedou, a pris l'engagement de lancer une grande opération euh, contre la corruption et autres tentacules. Une opération que d'aucuns qualifient de, de Meiboulala et qui consiste à moraliser et assainir les finances publiques du pays. Alors, quelques mois après, quel bilan peut-on tirer à mi-chemin le bilan est en tout cas diversement apprécié par les acteurs de la société civile. Un exemple, le coordinateur de l'Observatoire de la vulnérabilité, Laoli Abouakar, pense que cette opération est tout simplement sélective. Nous l'écoutons. C'est politique. Le président Issoufou, il va toujours annoncer des choses que les Nigériens attendent et qu'il ne fera jamais parce qu'il est politiquement lié et parce qu'il est politiquement faible, parce que tout simplement la classe politique nigérienne est pourrie. Imaginez, depuis le déclenchement de cette affaire-là, il y a eu que des victimes autour du président Hamamadou. C'est l'affaire de la cellule crise alimentaire où le président de l'Oumana Hamamadou est ordonnateur national. Il n'est pas sur le territoire national, mais déjà le dossier lui est collé parce qu'il était l'ordinateur national en son temps là, donc ça veut dire qu'il sera aussi pris. Ensuite, tous ces directeurs de cabinet sont actuellement en prison. Plus l'un des présidents du groupe parlementaire de l'Oumana de l'autre législature, euh, M. Bakari, qui également est À part cela, j'aimerais qu'on me donne un autre exemple où l'opération l'opération a agi. Elle a échoué parce que tout simplement, eh, vous avez l'impression que c'est une chasse à la sorcière. Vous avez l'impression qu'on dépoussière les dossiers lorsque ça arrange le politique. Or, aujourd'hui au Niger, si on doit faire une opération meboula c'est de laisser les inspecteurs d'État passer dans toutes les sociétés d'État et d'économie mixte. Je vous le jure, ma foi, rares sont les directeurs généraux qui vont échapper à cette opération-là parce que les mauvaises pratiques, on en a connu, que ce soit à la CAIMA, à l'OPVN, à la SONIDEP, dans les d'autres euh, sociétés d'économie mixte, c'est pas moi qui le dis, c'est également la Cour de compte. La Cour de compte, il y a 18 mois, elle a fait son bilan où le président est sorti officiellement à la télévision nationale pour dire effectivement qu'il y a mauvaise pratique dans toutes ces sociétés que j'ai citées et qu'il y a mal gouvernance et qu'il fallait corriger. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait de cela La Cour de compte, dans tous les cas, c'est aussi une institution de la République. Il fallait tenir compte et il fallait que, au moins, puisque eux, ils ont la parole pour le dire officiellement, et même si nous, nous continuons à dénoncer avant même qu'ils le disent. Il faudrait bien qu'on tienne compte, mais malheureusement, le président de la République ne peut pas le faire parce que ceux qui occupent ces postes-là, ce sont eux qui battent campagne pour le PNDS. Ce sont eux qui ont aidé le PNDS à avoir le pouvoir. Ce sont eux qui sont en train d'entretenir le pouvoir du PNDS. Donc, il ne peut pas, il a les mains liées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de directeurs généraux qui sont devenus députés. Mais ils n'ont qu'à aller auditer ce qu'ils ont fait comme travail avant de les investir à l'Assemblée. On ne peut pas le faire parce que tout simplement, ils sont très sales et cette saleté-là, on ne peut pas la balayer tant qu'il y a le sentiment politique, tant qu'il y a le jeu d'alliance, tant que le président continuera à se faire lier. Et moi, je disais tantôt qu'on n'avait pas espoir parce que si le président de la République s'en tenait à son unique mandat, c'est-à-dire le deuxième et le dernier, ça veut dire que normalement, il n'a rien à perdre par rapport à quelle que soit l'alliance, donc il pourrait agir. Mais vous avez l'impression qu'il prépare peut-être un empire au Niger. Et en préparant cet empire-là, il a encore besoin de ces gens-là, donc il va encore les entretenir, il va les garder. Et la mal gouvernance est en train aujourd'hui donc de nuire à, l'économie nationale. donc vous pensez que l'opération Meboulala est une opération sélective C'est une opération non seulement sélective, c'est une opération qui est mornée parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, effectivement, après cette histoire de crise alimentaire, ce n'est que vous, les journalistes, nous, acteurs de la société civile, qui sommes menacés par-ci, par-là. Sinon, on ne peut pas. Or, les gros poissons sont là. Les gens ont géré de façon patrimoniale les biens de l'État et ils sont là, on le sait, et personne ne peut parler. Aujourd'hui, on n'a qu'à faire parler l'inspection d'État. L'inspection d'État est là. C'est quand même un organe administratif de l'État, un appareil qui permet de contrôler la gestion de toutes ces sociétés-là, des différents ministères etc. Mais on ne peut pas le faire. Pourquoi Parce que tout simplement, comme je vous dis, l'opération, est politique. Aujourd'hui, elle donne raison à la classe politique nigérienne et à l'ensemble des Nigériens de comprendre que c'est une opération sélective, c'est une opération purement politique. L'affaire du concours du ministère de la Santé publique a dévoilé donc euh, la face cachée, selon vous, l'opération Meboulala vous savez, là, il y a deux aspects. Le premier aspect, le président de la République, lorsqu'il est venu, il a promis 50 000 emplois par an. Mais il ne peut pas le faire. Il ne faut pas qu'on leur les Nigériens. Nous, nous avons les pieds sur terre. Il ne peut pas donner 50 000 emplois, même si c'est des manœuvres par an, parce qu'il n'y a pas de quoi les payer. Alors, ils ont tellement recruté qu'ils sont arrivés à leur limite. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas payer ces agents-là. Donc, c'était pour eux une occasion, comme il y a eu fraude, d'annuler tous ces concours-là où des milliers de Nigériens ont perdu l'espoir qu'ils avaient entretenu pendant quelques semaines. Maintenant, à l'intérieur, par rapport à l'organisation même du concours. Mais on sait, puisque les avocats de tous ceux qui ont été incriminés ont sorti des listes. Mais au moins, qu'on puisse interroger ces gens-là, qu'on laisse la justice faire son travail pour que ces gens-là répondent pourquoi ils ont une influence sur l'organe qui organise les concours ou sur les ministères qui organisent les concours. Il y en a même des ministres en activité aujourd'hui qui sont dans le gouvernement de Issoufou et qui ont été compromis dans cette affaire de concours d'entrée à la fonction publique. Moi, je pense qu'au Niger, euh, il y a eu trop de laisser aller. La politique a eu le pas sur la raison et aujourd'hui, euh, ma foi, on ne peut pas parler de moralisation de la vie publique, qu'elle soit économique, politique ou sociale. On ne peut dans la tradition politique nigérienne, on a vu des ministres en exercice, en fonction, qui ont été inquiétés. Est-ce que euh, cette fois-ci, les ministres auxquels vous faites allusion ne peuvent pas être inquiétés Ils ne peuvent pas être inquiétés parce qu'il y a déjà, par rapport à une affaire de marché au niveau de l'Assemblée nationale, on avait déjà incriminé deux ministres, euh, dont le ministre Oumoudou et le ministre Kalla. Euh, Ces deux messieurs-là sont revenus en force dans l'appareil de l'État. Ça veut dire quoi Ça veut dire que personne ne doit s'inquiéter dans ce pays-là s'il commet un forfait. Au contraire, quand vous commettez un forfait comme le maire qui a volé et que les journaux ont sorti, oui, il a volé tant, il est venu à la présidence et on l'a nommé conseiller spécial du président. Donc c'est cela qu'on veut. La bravoure, c'est celui qui peut voler et venir dire j'ai volé, mais je suis avec vous, monsieur le président, il sera nommé. Donc je pense qu'il ne faudrait pas qu'on pense qu'on peut incriminer. Le ministre Labo, c'est parce qu'il a la malchance d'être dans un dossier avec un allié gênant qui est le président Hamad. C'est tout simplement cela. S'il n'était pas dans cette faire là avec le président Hama. Si c'était un autre, ma foi, Labo n'allait pas être inquiété. Aujourd'hui, tout le péché de Labo, c'est d'avoir partagé un dossier avec le président Hama et il fallait coûte que coûte que le dossier Hama aboutisse pour que Hama ne soit pas dans la compétition. Et aujourd'hui, voilà, ils ont atteint l'objectif et plus l'affaire crise alimentaire. Donc, son séjour va encore euh, s'agrandir au-delà du Niger, au-delà des frontières et ne reviendra pas sur le territoire national. Et ma foi, eux, ils vont continuer à gouverner sans un chef de file de l'opposition. Laouli Aboubakar, une personnalité politique euh, qui est dans les Saldra, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou. Est-ce que c'est une affaire politique ou une affaire euh, de moralisation de la vie économique vous savez, l'affaire de l'Assemblée nationale, c'est une affaire aussi compliquée que les gens ne doivent pas vite se jeter là-dessus. Amadou Salifou a été utilisé pour conquérir le pouvoir pour stabiliser l'Assemblée et permettre au président Issoufou de finir le premier mandat. Et au nom de ce cadeau-là, ceux qui ont fait le jeu politique pour dégager le président Hamma et placer le président Amadou Salifou, ils ont effectivement eu une période de transition où le président de l'Assemblée nationale, et son Excellence Hamad Amadou, était absent. Donc le détournement a commencé pendant cette période-là, cette vacance de poste-là. Maintenant, plus lui à son arrivée, effectivement, on ne pouvait pas reviser un allié qui a amené plus de 10 députés quand même du MNSD, on ne peut pas lui empêcher de faire ce qu'il veut en termes de contrat politique. Et effectivement, il l'a laissé, il s'est noyé. Mais aujourd'hui, au-delà du président Amadou Salifou, il faudrait que tous les Nigériens, en tout cas qui courent derrière le Gouri système, sachent que une fois que vous accomplissez la mission, Gouri va vous écraser comme on écrase une noix de cola entre les dents. Ils seront écrasés et c'est leur mérite comme ça. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de pitié. Si tant qu'il a détourné les fonds publics, alors il il n'a qu'à le reverser parce que pour moi, la prison ne règle pas les problèmes. Celui qui vole, il la ramène ceux qui l'ont volé et qu'on continue à utiliser ça pour l'intérêt général. Lawali Abouboukar, vous avez uniquement parlé des ratés de l'opération Meboulala. Quelles sont les forces de cette opération elle n'a pas de force, parce que la force, c'est quoi La force, c'est quand on voit, voilà une société où, par exemple, quand vous prenez le règlement de la route, le policier, on dit, il a d'abord un rôle dissuasif. Il ne doit pas se cacher à l'angle de la rue, il doit être sur la voie pour qu'en l'apercevant, l'usager qui est en faute retourne chercher ses pièces ou, en tout cas, change de chemin. Ça veut dire que le rôle du policier est un rôle dissuasif. Cette opération-là, d'abord, elle doit empêcher aux gens de voler. Mais les gens continuent à voler tous les matins que Dieu fait. Jusqu'à ce matin où nous parlons, il y en a qui vont voler encore, parce que c'est l'impunité. Deuxièmement, on ne peut pas parler de succès parce que l'opération Meboulala a été circonscrite dans un cadre systématiquement politique. Et troisièmement, peut-être que euh, lorsque l'État se sentira beaucoup plus coincé par rapport à sa charge, je parle notamment de la masse salariale qui n'a pas pu être euh, payée effectivement depuis le mois de mai dernier, peut-être là, elle va un peu mettre mal à l'aise ses alliés qui sont également des mauvais payeurs de fisc, qui sont des détourneurs de fonds publics. Peut-être que là, l'opération au niveau de la Halcia, qui n'est pas dans l'opération Meboula parce que la Harissa a une mission bien déterminée et s'entendant, la Harissa est en train quand même de traquer des gens qui ont des redevances vis-à-vis de l'État du Niger et qui sont en train de verser régulièrement. Ça, j'ai des informations là-dessus. Mais je pense qu'elle-même, l'opération Meboula ce n'est pas un succès, c'est un outil eh, qu'on a créé, un outil purement politique pour euh, effectivement écraser les gens ou les faire venir carrément pour applaudir le prince et puis bon, créer l'unanimisme au Niger. On a un seul chef, on a un seul coq dans la basse-cour et puis tout le reste, ça va. Maintenant, que faut-il faire pour que cette opération réussisse pour que l'opération réussisse, un, il faudrait d'abord la justice nigérienne la renforcer, la rendre beaucoup plus indépendante, essayer de faire en sorte que personne n'influence sur les décisions de justice, essayer de faire en sorte que les magistrats continuent à jouir de leur indépendance, mais aussi de leur intégrité, pour que seule la justice puisse faire ce travail-là sans immixtion de l'État ou des personnalités qui animent l'État. C'est la seule force, la justice, parce que sans la justice, personne ne peut s'en sortir. Or, aujourd'hui, on a créé la Halicia, on a créé la ligne verte, on est en train de créer d'autres démembrements pour que la justice soit affaiblie. Pourquoi Parce que tout simplement, on sait qu'au sein de cette justice-là, il y a des magistrats intègres qui, lorsqu'ils vont prendre des dossiers, ils vont aller jusqu'au bout et ça sera la vérité au grand jour qui va sortir. Et c'est gênant pour le pouvoir parce que chaque pouvoir qui vient veut avoir sa propre justice. Or, les... Voilà, le coordonnateur de l'Observatoire de la vulnérabilité, Laoli Aboubakar, appréciant le bilan euh, de l'opération Meboulala euh, du, du, président de la République, cette opération qui consiste à moraliser et assainir les finances publiques du pays. Nous avons voulu aussi en savoir avec un autre acteur de la société civile. Il s'agit du coordonnateur du Forum pour une citoyenneté responsable FCR. Soleil Oumarou estime aussi qu'à la date d'aujourd'hui, le bilan de l'opération Meboulala est tout à fait mitigé. Ce que je peux dire, c'est que euh, le bilan quand même est mitigé jusqu'à preuve de contraire, puisqu'il y a eu quand même, euh, comme on dit, une levée de poussière à travers un certain nombre de dossiers dont la presse en a fait écho, mais jusque-là, euh, visiblement, l'opinion encore dans l'attente, on n'a pas vraiment des résultats concrets, euh, ne serait-ce qu'à par rapport à justement au remboursement des données publiques dont les supposées personnes quand même ont été accusées de détournement. Et puis, c'est que beaucoup d'entre eux sont encore euh, en liberté, ils sont inquiétés. Donc, on peut dire que euh, l'opération Meboulala, encore, euh, toujours le peuple dans l'attente vraiment d'une véritable justice, d'une véritable opération d'assainissement. Beaucoup de Nigériens pensent que l'opération Meboulala est une opération sélective. Que pensez-vous je dirais euh, tout à fait non, puisque vous savez bien que dans cette opération, euh, c'est que ça cible quand même euh, les gouvernants de la 7e République. on aurait eu à entendre à un certain moment l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui est quand même une personnalité importante du régime actuel, et beaucoup des ministres des plus proches du président de la République. Donc, parler de sélectif, je ne comprends pas, je dirais non, puisque ça ne cible pas seulement euh, les leaders de l'opposition. Vous savez bien que beaucoup de leaders de l'opposition aujourd'hui croupissent en prison euh, pour des raisons que celles de l'assainissement. C'est sûr qu'il y a des dossiers aussi qui impliquent euh, d'autres. Donc, à mon avis, à mon avis, je pense bien qu'on ne saurait parler de personnes sélectives, mais on pourrait peut-être parler d'une opération timide qui va très très lentement et euh, visiblement qui ne porte pas de fruits. Selon vous, qu'est-ce qui explique euh, cette timidité Je ne suis pas dans le secret euh, de la chose, mais je donnerai peut-être mon opinion. Ce qui pourrait justifier la timidité, peut-être il y a des dossiers qui importent et qui impliquent des personnalités très importantes dont on ne voulait pas justement épingler, ou tout simplement, vous savez aussi, il y a la lenteur judiciaire, il y a aussi quand même la confrontation qui est nécessaire dans certains dossiers, puisque vous savez bien, même lorsqu'une personne est soupçonnée de détournement, il faudrait l'écouter et il faudrait que le dossier, euh, justement, puisse atterrir à la justice. Donc, je pense bien que ce sont des éléments qu'on pouvait mettre euh, à l'actif du gouvernement, mais je pense bien qu'au vu de l'attente de, l'opinion, au vu de l'espoir que le président de la République avait fondé au Nigerien, vous savez, et depuis son entrée politique euh, dans les années 90, il est connu comme une personnalité intègre, comme euh, d'ailleurs son parti en a fait son de bataille, la lutte contre la corruption. Lui-même, euh, les griots faisaient son nom comme étant le Zaki Marené Masson Donc, Visiblement, à son arrivée au pouvoir euh, en 2011, nous avons quand même attendu une véritable opération d'assainissement, une véritable lutte contre la corruption mais hélas, euh, nous sommes toujours à notre soif. Jusque-là, euh, rien de concret. Je pense que c'est inquiétant. C'est inquiétant pour l'avenir de ce pays puisqu'on a besoin d'asseoir la démocratie et d'avoir une gouvernance qui rassure justement les citoyens de façon générale lors de son premier mandat, le président de la République euh, pensait qu'il avait les mains liées et maintenant euh, qu'il n'est plus avec Lumana, euh, qu'est-ce qui bloque concrètement Est-ce que c'est explicable aux Nigériens Ce n'est pas explicable puisque, comme vous l'avez dit, au premier mandat, ben, on s'était plaint et même les proches du gouvernement se sont plaints du fait que ils prennent encore des casseroles, qu'ils prennent encore des gens de régime, notamment ceux de Lumana et même ceux du MNSD qui les ont rejoints, donc ils ne pourront pas faire la séance, puisque le président avait besoin d'un second mandat. Aujourd'hui qu'il a ce second mandat, aujourd'hui dont on pense que le euh, l'humain n'en est pas avec lui et que euh, justement, et comme vous l'avez dites vous-même, il n'a plus les mains liées, mais euh, se tromper de penser encore qu'il n'a pas les mains liées, puisque vous savez bien que les faussaires, les grands auteurs des manifestations, sont aussi à l'intérieur, sont aussi de la maison. Euh, comme on dit, toute personne qui détient le pouvoir est tentée d'en abuser. Il faudrait qu'il ait des dispositions pour l'empêcher d'abuser. Malheureusement, on a l'impression que tout autour du président, il y a encore des gens qui sabotent euh, son opération, qui empêchent justement à ce que son ambition véritable d'avoir une bonne gouvernance au pays puisse voir euh, le jour où vous avez parlé d'un certain nombre de dossiers qui impliqueraient certains proches du, président de la République. Donc à ce sujet, c'est comme si encore il a toujours, euh, cette fois-ci, les pieds liés, si tant que des personnalités, on vous le très proches de lui sont impliquées, l'assainissement resterait euh, difficile pour lui, au vu quand même de la situation politique, vous savez qu'il fait face à une forte opposition. Donc euh, il est très difficile pour lui de couper sur ses pieds et, sans lui-même euh, ses sans lui-même tomber. Donc, je pense bien que c'est ce qui, peut certainement, le fait hésiter beaucoup et le fait réfléchir mille fois avant d'agir. Souley Omarou, est-ce qu'il y a des raisons encore d'espérer euh, quant à un assainissement des finances publiques au Niger Oui, tant qu'on vit, euh, Monsieur M. je pense bien qu'on doit espérer. Euh, le peuple nigérien doit continuer à espérer qu'un jour, ce pays-là puisse faire face à une bonne gouvernance que ce pays-là puisse faire face à des dirigeants capables et soucieux justement euh, de tenir compte des aspirations profondes du peuple, de tenir compte des intérêts du peuple. C'est ce qui font notre espoir et en fondant tout aussi l'espoir pour le président puisqu'il a encore, comme on dit, du chemin, de pouvoir s'en départir de ces gens, de pouvoir s'en départir de ces considérations et surtout de ces sentiments pour, pour véritablement faire face à euh, des questions d'envergure et faire en sorte que justement le peuple puisse rentrer dans ses droits et que puisse lui-même justement extirper de son équipe, de sa gouvernance, euh, tous ces fonctionnaires, tous ces gens et justement qui détournent les derniers publics. Voilà, euh, c'est là donc. Voilà. Voilà, le, coordonnateur coordinateur euh, du Forum pour une citoyenneté responsable, l'FCR, Soule Oumarou, qui apprécie l'opération Meboulala du président de la République. Ainsi s'achève ce forum. Euh, on se retrouve demain vendredi à la même heure et aux mêmes fréquences. ce sera avec le Forum de la presse euh, où des confrères vont venir décrypter l'actualité de la semaine. Merci, bonne soirée.